C'est des tentatives qu'on organise généralement par téléphone. On, on, contacte les intéressés. Je prends par exemple 10 femmes. On se concerte sur les montants et sur une date. Maintenant, à chaque fin du mois, par exemple, moi qui organise ça, cinq jours avant, j'appelle les intéressés, je les rappelle. La personne qui prend, j'envoie son numéro et son nom dans le groupe, on crée un groupe WhatsApp. J'envoie son nom et je dis que toutes les femmes doivent faire leur possible pour envoyer les montants avant telle date. Et maintenant, durant tous ces cinq jours, je suis. Je demande. Je demande la personne qui prend, est-ce qu'elle a réussi Et j'exige que toute personne qui fait envoi d'envoyer les récits dans le groupe ça me permet de faire un suivi. Et c'est comme ça on organise cela. C'est des personnes avec qui on se, se connaît en fait d'autres. Par exemple, je connais une amie, je lui en parle, elle est d'accord et elle me propose aussi une de ses amies. Donc, c'est des connaissances. En fait, on fait un, un règlement. On fait un règlement parce que la personne, elle est déjà connue. On connaît chez elle, on fait en sorte qu'elle est connue dans les groupes par au moins des personnes. Maintenant, quand la date commence, quand on commence les versements, si elle veut se retirer, dans les règlements, on exige que si d'autres personnes lui ont versé, qu'elle paye ces personnes-là avant de se retirer. Bon, je ne dirais pas mieux, mais c'est aussi une sorte de cantine qui arrange d'autres. Vous savez, on est, on est au Niger et il y a d'autres femmes qui ne sont pas tellement libres avec le travail et aussi les maris. D'autres femmes mariées n'ont pas la possibilité de sortir à chaque fin du mois avec les foyers les mariages pour participer. Du coup, on organise des cantines électroniques pour aider. C'est pour s'entraider en fait. Des fois, quand on vient se rencontrer, on compte, on passe du temps il y a d'autres qui ne sont pas disponibles. Et plus tu ne participes pas, plus tu vas avoir des femmes qui parlent sur ça. Et les jours de ton foin de toi aussi, d'autres ne vont pas partir. En fait, ça dépend de la personne et de ce qu'elle veut. Par exemple, je la cantine électronique, c'est moi qui organise. Mais je suis participante aussi dans une autre cantine où c'est des femmes mariées uniquement. Et on s'est consenti que quand l'une d'entre nous accouche, on va collecter par exemple 13 000, payer un pain et du savon, un carton du savon, la vivre et amener. Il y a des fois où la personne se trouve de l'incapacité de participer. Vous voyez ce que je veux dire mm-hmm. Elle envoie son argent et à la présidente, par exemple, ou une de ses amies, elle paye, elle amène. Mais des fois, dans les participantes, même par exemple, moi, si j'accouche, je vais dire que je ne suis pas intéressée par les savons et les pains. On m'amène mon argent. C'est pour cela que j'ai dit ça dépend des personnes.